yakarna ni cour bi mo nek énième cour de l'alliance pour la paix et le développement muy lo nga xam ni euh, jafe na torop ci réew mi ñu nek parce que parti bi bi mujj dog légui bu koy xayma ci juroomi at yakarna juroom benn at ci lay ci lay tollu amna parti yu ko fi mag mais ci sen programme sóoraale wuñu ci sax di dajale jeunes yi ak di dajale militants yi pour di leen jéem a armer intellectuellement bokkul sax ci seen programme kon nag vraiment dañuy féliciter euh, le président mi nga am ni am na xalaat boobu. Euh, cours bi xëy na biñ ko institué yàggul lool sax mais parti bi mësula ñàkk di dajale ay militants euh, ñuy weccoo xalaat ci ay thème ci ay sujet yu am solo. je je suis très impressionné par par monsieur Messeynia parce que quand on voit, malgré le poids de l'âge, et l'enthousiasme qu'il a, la capacité et, la force de continuer à véhiculer et, de porter notre culture, vraiment, moi je pense que nous, que nous devons tous le soutenir et que c'est une référence pour nous aujourd'hui. Vous, êtes, une référence pour nous. Et, sachez aussi qu'il y a une jeunesse qui est là et, qui, qui, refuse d'être acculturée, encore une fois de plus. Mais je pense que le, le problème d'abord avec la culture, c'est que moi, je pense qu'il faudrait redéfinir la culture. Parce que, bon, le Sénégalais pense que la culture, c'est le, chant et la danse. Parce que, bon, la philosophie définit la culture comme ce qui est différent de la nature. En sociologie, la définition elle est beaucoup plus étroite. C'est ce qui est commun à un groupe d'individus, ce qui, ce qui le soude. Mais je suivais euh, autant un Sénégalais du nom de, du, le professeur Fallou qui était à la radio Dunia. Je suivais ses émissions, Otugoni, pour, vous dire que malgré que, je sois jeune, j'ai toujours refusé voilà, d'être embarqué dans, voilà, dans, sur, certains chemins. Je suivais le professeur Paris le mardi et le jeudi. Moi, une fois, je l'entendais descendre un livre qu'un imminent professeur a écrit au Sénégal. Un professeur Eslet, le professeur Paris Cissé, le défiait à la région. Et il disait que, que tous les mots qu'il utilisait n'étaient pas du Wolof. Donc voilà, donc un homme comme ça, malheureusement, et il nous a été arraché à notre affection, il y a de cela juste, je pense, un an ou deux ans. Et voilà, c'est ce que, le ministre Tiendolo dit, que vraiment, il y a des hommes qu'on n'honore pas de leur vivant. Et qu'une fois parti, vraiment, on le regrette. di wax ne que nous, wàccuñu yoon nous faire la politique autrement Nous ngi ci bobo, nous ñu ngi ci donc on ne peut que remercier le président Thierno parce que faire la politique autrement ça veut dire que amna ni d'une non. au lendemain des indépendances le Sénégal quand même s'est doté euh, d'une politique euh, culturelle basée sur l'enracinement et l'ouverture et on ne peut pas parler d'enracinement tant qu'on ne maîtrise pas sa langue et ce complexe-là euh, euh, euh, le blanc l'a créé chez nous pour dire que nos langues ne sont pas capables de soutenir, par exemple, la science. Mais c'est faux. C'est pourquoi je prie, je demande aux gens de faire des efforts pour la maîtrise des langues nationales. Parce que oh, c'est dommage. Ben, je vais citer un colon, qui, qui, Ferdinand de Saussure et les légistes de son école, qui ont dit qu'entre deux langues, il n'y a que des différences les mots n'ont pas la même valeur conceptuelle. C'est pourquoi, alors, vous dites que nous butons. Non, non, non, nous ne butons pas. Chaque mot français hein, peut trouver un équivalent, mais parfois, ça peut même un seul mot peut être une phrase. Donc, entre deux langues, il n'y a que des différences. Aujourd'hui, quand, je dis, par exemple, euh, euh mais je ne dirais pas en, en, que j'ai mangé l'argent. J'ai dépensé l'argent. Voilà, des cas comme ça. Donc, nous, allons, nous devons faire des recherches. Parce que aussi, nos langues-là sont en train de, mourir. Parce qu'il y a des mots qui disparaissent. Il y a des mots qui disparaissent. Euh, je me rappelle quand je tenais une classe euh, d'alphabétisation. On m'avait donné un cahier à côté pour que je note, euh, parce que j'enseignais des adultes, les mots qui ont tendance à disparaître, que les jeunes ne connaissent plus. Donc, pour véhiculer sa culture, il faut d'abord maîtriser sa langue. C'est seulement dans ce siège là que je voudrais quand même euh, insister, parce que euh, il est temps que vraiment que l'on reprenne nos langues nationales en main. Comment faire pour enseigner le théâtre en classe À moins que l'élève, je peux dire, ait cette faculté-là à se représenter une scène complète, vécue bien évidemment en temps réel. Et cette faculté-là, cette prédisposition de l'esprit, on peut dire que tous les élèves n'ont pas cette prédisposition-là. Donc, et je travaillais sur euh, la richesse langagée dans Rubla et Père Moussey a toujours euh, voilà, l'habitude de me, de me taquiner en me disant que tu es spécialiste de Hugo et que voilà, tu es un déraciné, entre guillemets, c'est ça mais c'est Amadou Mapate Diagne qui est le premier, bien évidemment, euh, à instaurer ce déracinement en classe, si je peux le dire ainsi, puisque les Blancs euh, ont pris Amadou Mapate Diagne comme médiateur. Il était instituteur d'abord, il est écrivain, et il était donc le mieux placé, vraiment, à véhiculer euh, ces messages-là et enfoncer davantage la jeunesse dans les profondeurs du déracinement. Et si nous prenons bien évidemment l'exemple de Chamidou Khan euh, dans l'aventure ambiguë, l'école où je pousse nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et considérons avec soin à juste titre. C'est une question donc qui a traversé les époques et les âges pour susciter sans même qu'on s'en aperçoive une intuition particulière en nous. C'est la question de la dualité entre tradition et, modernisme. Tradition et modernisme. Et aujourd'hui, euh, les, nouvelles vagues de séries euh, à la télé, des Marichou, Golden, je ne sais quoi, toute cette nouvelle vague de séries télévisées enfonce davantage la jeunesse dans la déroute et la faillite c'est une sorte de bavarisme puisque euh, la personne, l'acteur qui est en train de suivre, se conçoit bien évidemment autrement que ce qu'elle est, vu peut-être la réalité qu'on est en train de, présenter. Et là, la personne se perd, s'enfonce, et sans rien comprendre peut-être de la culture qu'on est en train de véhiculer. Et euh, c'est la raison pour laquelle, Père Mossei, je, t'appelle, euh, je vous permettez-moi de, le tutoyer, c'est mon père. Et on vit ensemble. Et voilà, c'est un homme vraiment imbu de valeur, qui aime la culture africaine et qui aime le cinéma africain, le vrai, le vrai cinéma. Ce cinéma-là qui, qui revalorise vraiment euh, le patrimoine africain. Tout ce que les Africains ont de valeur, de culture, et quand, qui dit culture dit langage. Donc le langage est le langage le moyen, l'outil le plus adéquat vraiment pour mettre en exergue euh, la culture. Et voilà, c'est un problème de déracinement. Nous utilisons la langue du colon, nous exprimons français, même si nous nous sentons nègres. C'est vraiment cette histoire qui règne pour toujours. Et je vous remercie.